was warm? Es was warm? Es was warm? Es was warm? L'horloge du studio Kalango affiche 18h45. Vous suivez en direct euh, via euh, les 41 radios partenaires à disséminer dans les 8 régions euh, du Niger nos programmes. Nous sommes mardi, c'est le rendez-vous Espace Femmes, un temps d'antenne réservé aux femmes pour débattre des questions d'actualité ou de société qui les concernent. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro pour vous servir, Diallo Mariama Kenda. Le rôle des organisations féminines nigériennes et les actions sur le terrain et les perspectives pour la défense et la protection des droits de la femme, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. L'évolution des organisations féminines démarre avec des associations mixtes comme la Samaria. La Samaria, c'est un regroupement de femmes et d'hommes pour participer au développement du pays à travers des travaux euh, communautaires communautaire dans lesquelles les femmes n'ont pas euh, de pouvoir. Elles acquièrent du poids grâce aux associations féminines qui gagnent du terrain et obtiennent une législation en faveur des femmes après la conférence nationale de 1991. C'est ce qui ressort d'un entretien réalisé à Niamey en 2001 euh, par le GRED, groupe de réalisation et d'animation pour le développement, avec euh, Taou Salima, membre du comité directeur de l'AREN, Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Toutes ces structures associatives apportent leur contribution pour le combat de la promotion de la défense et de la protection des droits de la femme. Malgré cette multitude d'organisations féminines, on constate un manque de solidarité autour des questions de femmes. Quelle efficacité de toutes ces ONG et associations Quelles sont les femmes concernées par ces actions des ONG et associations féminines et pourquoi cette absence de mobilisation au sein de ces organisations féminines pour défendre une cause féminines. Pour vous permettre de mieux comprendre ce débat, nous allons en premier lieu recueillir les résultats et actions des organisations féminines que nous recevons en ce moment et en second lieu connaître leur rôle, leur poids dans la société nigérienne. Pour nous accompagner dans ce débat, nous recevons comme invité Balkissa euh, Djibril, secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes du Niger. C'est un plaisir de vous compter parmi nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Et Ganda Saleh, président de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants, CONAF Niger, une coalition qui regroupe 80 organisations mixtes. Merci d'avoir effectué le déplacement et bonsoir à vous. Bonsoir. Auditeur des radios partenaires, Bonsoir. Notre temps d'antenne est de 45 minutes. Merci de votre fidélité. Tout de suite, découvrons nos invités je commencerai bien sûr par euh, euh, Balkissa Djibril. Alors parle-nous un peu de l'association des femmes juristes euh, du Niger. Cette association, c'est une association qui fait la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant. Alors l'association des femmes juristes AFGN a été créée en 1991 depuis la période de la conférence nationale. Donc, elle fait partie des premières associations nigériennes qui militent pour les droits de la femme. Alors, ça fait à peu près plus de 20 ans d'existence. C'est une association qui travaille surtout dans les droits humains en général et en particulier les droits de la femme. Et qui dit droits de la femme aussi, on ne peut pas dissocier les droits de la femme de ceux de l'enfant. Ganda Salé, président de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants qu'on a fait à Niger. Et merci. je remercie d'abord le studio Kalangou qui nous offre cette opportunité pour vraiment nous débattre un sujet important. Et la coalition des ONG africaines en faveur des enfants qu'on a Niger est créée en 2006 sous la volonté du ministère en charge à l'époque de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, avec l'appui de l'UNICEF. Au fil des temps, et il y a eu une modification en 2008 qui a changé la dénomination. À l'époque, ça s'appelait le REN, Réseau nigérien pour l'enfance. Et avec l'évolution des choses, ça a changé de nom. On l'appelait CONAF Niger. Donc CONAF Niger regroupe à son sein aujourd'hui 86 ONG associations de développement. Sur les 86 ONG Georgia e a 30 ONG qui sont dirigées par des femmes et 3 ONG qui sont dirigées par des personnes handicapées. Donc les 47 sont dirigées par des hommes. Et cette coalition aussi est subdivisée en plusieurs réseaux thématiques. Alors nous allons en venir au fur et à mesure de ce débat. Euh, fidèles auditeurs, vous l'avez compris, je présentais donc euh, la CONAF Niger euh, avec 80, j'ai dit 80, donc vous avez rectifié, donc c'est 86 structures. Et donc tout de suite, nous allons aller vers un témoignage pour vous permettre de découvrir donc euh, une autre euh, association. Et donc, euh, suivant le témoignage de Mariama Abdou Gado, étudiante en médecine, présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction, et témoignage recueilli par Awa Ousmane. Notre association fait des activités de sensibilisation à l'endroit principalement des jeunes, qui, comme garçons, pour vraiment les sensibiliser sur leurs droits en matière de santé de la reproduction, de planification familiale, mais largement aussi pour qu'ils puissent s'impliquer vraiment au mieux dans le développement de leur pays. Et notre cible principale, c'est les jeunes, mais il est clair que quand nous menons des activités de sensibilisation, nous nous retrouvons aussi devant des femmes, des hommes beaucoup plus âgés. Nos relations, c'est que nous travaillons conjointement, donc on s'associe vraiment à ces associations qui font la promotion des droits des femmes, surtout vraiment l'autonomisation des femmes, même si ce n'est pas spécifiquement euh, certaines thématiques de la santé de la reproduction. Quand on parle de planification familiale, nous on parle d'autonomisation de la femme, on dit à la femme tu as des droits. C'est comme ça que nous travaillons. C'est vrai que bon, les droits des femmes, c'est encore un problème et en Afrique particulièrement parce que c'est pas très souvent reconnu. on a souvent nous-mêmes personnellement été victimes d'injures, etc., de personnes qui ne comprenaient pas le travail qu'on fait. Mais pour des femmes qui ont été victimes vraiment d'injustice dans leur euh, milieu de travail, par exemple, nous, en tant que réseau des jeunes ambassadeurs, ce qu'on peut faire, c'est vraiment les accompagner dans leur lutte pour leurs droits. Par exemple, si je prends spécifiquement le domaine de la santé et de la reproduction, on a eu des cas de femmes qui qui voulaient en fait continuer leurs études et ne pas donc avoir d'enfants. Et leur conjoint ne comprenait pas forcément la décision. Donc nous, on a fait vraiment un accompagnement social avec le conjoint, un grand counseling vraiment pour les aider. Normalement, nous sommes censés être solidaires entre nous, nous sommes censés nous entraider. C'est vraiment de s'associer entre eux et de ne pas être dans la logique de il faut que je sois le meilleur dans le combat que je fais. Non, il faut qu'on soit tous meilleurs dans ce combat-là, qu'on fasse vraiment tous ensemble le combat et surtout qu'on soit là pour les femmes victimes Vous venez donc euh, d'entendre euh, Mariama Abdougado, étudiante en médecine, donc la présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction. Balkissa Djibrila, et donc euh, vous venez d'entendre Mariama, et cette mm. présidente de ce, de ce réseau. Est-ce que vous connaissez ce réseau Oui, j'ai entendu parler parce qu'une fois j'ai suivi la même présidente à la télé en train de parler de leurs activités et également sur les réseaux sociaux aussi, je crois qu'ils ont une Facebook. Là également, j'ai suivi quelques actions que cette ONG a eu à mener, notamment les dons de sang. Une fois, l'ONG a eu à faire des dons de sang et j'ai suivi ça à la télé. Alors donc, vous pouvez dire que c'est une ONG qui est active Oui, c'est une ONG active. Euh, Monsieur Gandassali, et vous Effectivement, nous, c'est sur la télévision qu'on a découvert cette euh, jeune association qui est vraiment active. C'est une association à saluer. Alors, concernant les difficultés évoquées par euh, la présidente du réseau, pardon, vous avez entendu la fin de l'entretien. Elle a parlé de certaines difficultés. De toute activité, hein, il y a des difficultés. Donc, il y a des difficultés, mais il faut savoir sinon, dans l'approche pour pouvoir euh, remonter ces difficultés. La question de la planification familiale a été largement débattue euh, aujourd'hui encore. Un réseau et qui, dans ce domaine, rencontre encore plus de difficultés. Est-ce que cela ne pose pas un problème, par exemple, d'efficacité. Oui, il n'y a, pas uniquement que la, planification familiale. Quand vous prenez dans le, le mariage des enfants. Oui, mais comme nous sommes dans, dans ce réseau. Donc là, c'est pourquoi je disais l'approche. Mais la planification familiale, maintenant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés parce qu'on a assez parlé. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette thématique que vraiment les gens ont pris conscience de ça. Nous allons euh, donc euh, avancer dans ce débat. L'AFN donc a été a été le premier mouvement des femmes euh, créé en 1975 pour vous permettre de découvrir cette association. nous allons écouter donc un entretien réalisé par Railato Somana qui a réalisé donc un portrait de la présidente euh, de cette association AFN. Aïssa Takarijo est la première femme nigérienne à siéger à l'Assemblée nationale après la conférence nationale en 1993. Secrétaire de direction de formation, elle a intégré le premier mouvement féminin du Niger, l'AFN, Association des femmes du Niger. C'était après que les Nations unies ont déclaré l'année internationale de la femme. En 1974-75, c'est en ce moment que j'ai voulu vraiment intégrer ce système-là. C'est après le coup d'État du président Kounté. Il y avait un comité qui a été mis en place ici au Niger. Moi, je ne faisais pas partie de ces membres-là. Et je me suis offerte comme bénévole à les aider dans le secrétariat. Après les travaux du congrès, par curiosité, j'ai dit, bon, je vais aller voir comment on met en place un bureau. Le bon a voulu que je me présente. Et j'étais avec la défunte euh, Hamza Sidikou, qui a été élue secrétaire générale. Et on a dit, pour mieux que je sois quand même l'adjointe à Madame Sidiko jusqu'au deuxième congrès de, C'est en ce moment qu'on m'a reconduit comme secrétaire général de l'AFN. Jusqu'en 1990, compte tenu de l'âge, elle a voulu céder la place. C'est en ce moment que je suis devenue présidente de l'Association des femmes du Niger. À la tête de l'AFN, depuis lors, Aïssata Kario souligne qu'avec la contribution du gouvernement de l'époque, beaucoup d'actions ont été menées dans tout le pays dans le but d'alléger les tâches quotidiennes des femmes nigériennes. On recevait une subvention de l'État de 10 millions. Et c'est dans 10 millions-là qu'on faisait tout. Avec maintenant les bailleurs de fonds, on a équipé tous les centres de foyers féminins. En zone urbaine d'abord. En zone rurale, la plupart des arrondissements, aujourd'hui départements, ont été dotés de foyers féminins. Il n'y a pas où on n'a pas implanté de moulins et même aujourd'hui, il y a certaines de mon âge qui reconnaissent la valeur de Kundiamata ou bien Webore Marga. L'AFN, Association des femmes du Niger, appelée aussi Kundiamata ou Webore Marga, était un mouvement apolitique, explique Aïsata Kareyo. Selon elle, c'est ainsi que toutes les femmes étaient impliquées dans le développement du pays à travers l'organisation. Dans la création de cette association, le président Kunchepe a son âme c'est de relier toutes les femmes nigériennes, sans distinction de race, d'ethnie ni de politique. Toutes les femmes sont égales. Vraiment, il y avait de l'entente entre les femmes. Mais aujourd'hui, avec la politique, la division totale. Et c'est mauvais pour les femmes. Vraiment, c'est dommage. Si elles s'entendent, rien ne va pas les battre. Quand on est élu présidente, j'ai dit dans la mesure où je suis dans la politique, parce que j'étais députée, j'ai dit non, ma vice-présidente qu'elle assure la relève. Tu ne peux pas faire d'une pierre deux coups. Âgée aujourd'hui de 77 ans, la veuve Munkayla Essata garde espoir qu'un jour les organisations féminines nigériennes pourront aller encore plus loin dans la défense des droits de la femme tant qu'elle reste apolitique. Vous venez d'entendre la présidente de l'AFN, Balkissa Djibril, secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes du Niger. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'AFN a vraiment joué son rôle, la FN a vraiment été efficace. Je dirais que l'AFN et l'Association des femmes du Niger, en tant qu'association pionnière, elle a vraiment euh, joué un très grand rôle, un rôle euh, très remarquable d'ailleurs, parce que si on prend le contexte même dans lequel cette association a été créée, parce que c'était à la suite euh, d'une série de conférences euh, au niveau international, parce que c'était en ce moment que les questions des droits des, femmes ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur. C'est donc dans ce sens-là surtout que cette association a été créée, ce qu'on appelait la décennie de la femme je pense que cette association a vraiment fait un travail euh, très remarquable donc la présidente a, a parlé de difficultés, c'est ça Elle a parlé euh, du fait que l'objectif de l'AFN était de relier toutes les femmes nigériennes, mais que ça, ça n'a pas été fait. Et aussi cette division qui est au sein de aujourd'hui des, des, des, organisations et des femmes. Peut-être euh, on peut lier ça au, contexte parce que là, on est dans un autre contexte euh, de démocratisation. En ce moment, il était plus facile parce qu'il n'y avait pas, comme elle l'a dit, ces divisions sociales euh, liées à l'appartenance euh, politique des femmes, mais l'un dans l'autre, je pense que les femmes, la solidarité féminine dont on parle, uh-huh. c'est cela même. La, solidarité, euh, parce que ça, euh, Djibril, la solidarité féminine, on va en venir. Hein. Voilà, c'est l'un des points hein, de ce débat. Mais la question que j'aimerais vraiment qu'on explique un peu, c'est au fait, vous êtes juriste de formation. Mm. En termes de protection euh, de droits de la femme, eh, là encore, il reste euh, beaucoup à faire, puisque les mm. femmes, surtout celles qui sont dans euh, les, zones rurales, ne connaissent rien de tout ça. Ganda Saleh, président donc de la CONAF Niger, vous pouvez nous expliquer pourquoi jusqu'à aujourd'hui ce travail n'a pas été fait. Je, vraiment, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que la présidente de l'AFNADIM Vraiment, c'est la triste réalité. Et à l'époque, toutes les femmes du Niger sont regroupées au sein de cette association. Mais malheureusement, avec euh, la démocratie, tout est parti en l'air. Il n'y a pas que ça, parce que dans votre introduction, vous avez parlé de quelque chose qui m'a donné un pincement au cœur, parce que la définition que vous avez donnée à la Samaria, là, tout marchait très bien. Maintenant, la FN aussi, euh, Alors, si tout marchait très bien, euh, Ganda Salé, pourquoi est-ce que l'AFN a été créée Ça, c'est la première question. Oui. Maintenant, il y a eu des, comme la, euh, il y a des, déclarations, comment dirais-je, le Niger a ratifié des conventions. Là, il faut trouver une autorisation uniquement pour la femme. Vous insinuez qu'on n'aurait pas dû créer, on aurait dû rester non, on doit créer, dans la Samaria Parce que la journée du 13 mai, là, la femme rurale connaît même pas s'il y a l'existence de cette journée de la femme nigérienne. Pourquoi Parce que moi, j'ai tenté de faire fêter ça deux fois. On est parti dans une commune rurale pour faire la célébration de cette journée du 13 mai. Et au sein même de notre coalition, on a organisé ça pour décorer des journalistes comme vous, en tout cas qui, sont en train de lutter pour la promotion. Alors ne perdons pas de vue cette question qui reste toujours sans réponse. C'est du point de vue euh, de la protection des droits euh, de la femme au niveau des zones rurales. Ce travail n'a pas été fait. Oui, en zone rurale, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas un village où on ne connaissait pas l'IFN à l'époque. Maintenant, euh, concernant la journée de la femme, là, si vous partez dans un village comme, je ne sais pas, Tomboukwar et autres, vous parlez de ça, on va vous regarder seulement. Parce que là, eh, c'est au niveau central seulement que ça se fait, hein. au niveau des, régions, des départements, souvent la, journée. Dans ce cas, est-ce qu'on peut tout simplement dire que l'AFN a, reçu dans le domaine euh, de l'autonomisation de la femme Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Moi, pour moi. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Parce que là, c'est la politique qui a tout gâté. Hein. parce que moi, je n'ai pas peur de le dire. Nous poursuivons donc euh, ce débat. Alors, euh, au niveau, je reste avec vous, mhm. Gandé Saleh, président donc euh, de la CONAF Niger, pour parler du travail des organisations féminines au sein de la CONAF Niger. J'ai noté 30 ONG féminines. Comme je l'ai eu expliqué dans mon introduction, j'ai dit la CONAF est scindée en plusieurs réseaux thématiques. Donc, euh, chaque structure se positionne dans un réseau qui cadre avec euh, ses objectifs. Un exemple. Prenons une thématique très importante comme, comme, comme, l'excision, dis-moi les membres de, de, de, la CONAF. Allons-y. Il y a l'UCOVEM qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a Jeunesse Femmes Santé. Il y a Coniprat aussi. Coniprat pour l'excision, Dimor pour la fistule. Alors, on reste avec donc Coniprat, c'est un exemple, donc une thématique. Est-ce qu'avec euh, euh, cette thématique aujourd'hui, on a des résultats concrets sur Des résultats concrets. Si vous regardez un peu la télé, vous avez vu les, les, femmes l'excision qui abandonnent avec des cérémonies. On prend tout, les, ciseaux, les couteaux autres, avec les lames. Il y a eu vraiment. Est-ce qu'on a des chiffres ah, aujourd'hui qui Bon, moi, je n'ai pas les chiffres, mais vraiment, il y a les chiffres sont disponibles au niveau de, de Coniprat et à l'UNICEF. Donc, on peut dire que cette pratique a été abandonnée aujourd'hui Abandonnée. À 98%, c'est abandonné. Nous allons donc. Euh, nous retourner vers euh, Balkissa Njibril, donc euh, de l'association des femmes juristes euh, du Niger. Quelles sont les, activités phares de cette association Je pense que je ne peux pas finir de les citer ici, mais je peux en citer Donnez-nous quelques, exemples, voilà. On a eu à faire des formations en droits humains et sur la participation politique des femmes en 2016 et c'est une activité qui a couvert toutes les huit régions du Niger, y compris le niveau départemental. Là, il y a ce qu'on appelait la formation des parajuristes. Donc, c'est des, des, agents qui ont un certain niveau qu'on a formé sur les droits humains et on a eu à toucher plus de 2000 personnes qui ont été formées et qui vont nous servir de relais au niveau de la population. Donc, à chaque fois qu'il y a une question de violation des droits humains, quelle que soit la couche populaire qui est touchée, ils vont essayer à leur manière avec la formation qu'on leur a donnée parce que on a même euh, élaboré des guides qui vont vraiment les, les aider à mieux lutter contre les violences euh, de tout genre. Également en matière de participation politique des femmes aussi, nous avons eu à former les élus locaux, aussi les potentiels euh, qui veulent se présenter aux élections en ce qui concerne les voies de recours en matière électorale et sur les questions de quotas aussi. Toujours en termes d'activité, nous avons un bureau d'écoute qui est ouvert tous les jours du lundi au, vendredi où on reçoit des, des, des, femmes surtout, des plaignantes qui ont un problème de droit et vraiment qui viennent se présenter à nous, on les écoute on essaie de trouver une solution. Parfois, on procède même à des conciliations. Et s'il y a lieu d'intenter un procès en justice, là également, on se fait assister le plus souvent par nos membres parce que parmi nos membres, il y a des avocates aussi. Est-ce que là, vous pouvez affirmer que aujourd'hui, plusieurs de ces femmes sont vraiment imprégnées de leurs droits, connaissent euh, certaines procédures en tout cas, les femmes que nous recevons, elles reçoivent des conseils juridiques, c'est-à-dire si la femme a par exemple un problème de, succession ou un problème de garde d'enfants, lorsqu'elle vient, elle est sensibilisée et elle a toutes les informations possibles. Maintenant, si c'est une question aussi pour laquelle il faut aller en justice, là aussi nous accompagnons, nous orientons. S'il y a lieu aussi de, faire assister la femme d'un avocat, on fait appel. Parfois, on a des, subventions des partenaires techniques et financiers. Alors, en termes de chiffres. Si on n'en a pas, on fait appel à, en termes de chiffres, est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui qui peuvent euh, illustrer, par exemple, le nombre de femmes enregistrées, peut-être qui ont porté plainte, euh, parce qu'on a l'habitude d'entendre que les femmes n'osent pas oui, on a, on a des chiffres, on reçoit vraiment beaucoup de cas parce que parfois on a 5-6 cas par jour. Donc chaque matin, on reçoit des, des, plaignantes. Maintenant, il y a beaucoup parmi elles, parfois on enclenche la procédure et elles ne reviennent plus, ce qui fait que euh, quand elles viennent, parce qu'on nous taxe euh, d'aider les femmes parfois à divorcer et autres, donc on fait signer un engagement par la femme pour dire que c'est vraiment elle qui a décidé d'aller vers la voie judiciaire, parce que le plus souvent, on tente d'abord de concilier. Maintenant, si, si la femme décide vraiment de, porter plainte, là, on, on essaie de de l'aider, de l'accompagner, de la conseiller au maximum qu'on puisse faire. Alors, euh, je vous vois donc euh, euh, un sourire, Monsieur le Président de, la CONAF Niger. Vous voulez réagir sur ce qu'a dit Balkissa Djibrila Oui, justement, et parce que nous, au niveau de, des ONG féminines, comme je vais parler de l'UCOVEM, souvent aussi, elle reçoit les mêmes... la définition, c'est quoi Bon, c'est une lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc là aussi, c'est presque la même chose, mais nous, ce n'est pas le cadre juridique. En fait, c'est toujours dans le cadre de la protection. Nous, on les oriente. On les oriente vers, les, par exemple, s'il y a eu euh, abus euh, au niveau des enfants, s'il y a eu des, souvent des problèmes euh, entre deux conjoints, là, il faut vraiment les, peut faire la conciliation, malgré qu'on n'ait pas la conciliation, tout le monde est habilité à le faire. Mais s'il s'agit d'aller aussi porter plainte, c'est en ce moment qu'on ne voit pas ces femmes-là. C'est ce pourquoi je suis en train de. Elles désistent. Elles désistent, c'est ça. Donc là, il y a plusieurs organisations au niveau de la de la CONAF qui sont la même chose. Aussi, il y a aussi des ONG qui font la transformation agroalimentaire. Mais est-ce qu'il y a, il n'y a pas un travail peut-être à faire davantage euh, le fait que ces femmes viennent, mais au dernier moment euh, ne reviennent plus Vous savez, c'est la coutume et souvent c'est la religion qui, c'est ça les obstacles. Parce que là, si la femme qui ose aller euh, traduire son, conjoint devant les tribunaux là, je pense que c'est pas bon pour elle. Alors, à ce, niveau, euh, Balkissa Djibrila, euh, cette situation, elle, dure, elle a un peu duré, n'est-ce pas Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous, vous avez peut-être fait pour changer Par rapport euh, à ces questions, comme il l'a dit, il y, a, beaucoup de problèmes sur la question. Et cela est surtout lié à l'application de la coutume, parce que c'est la coutume au Niger qui s'applique en ce qui concerne toutes ces questions de mariage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là Qu'est-ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire, c'est que euh, jusque-là, on n'a pas encore euh, un code de la famille. Et je pense que depuis l'AFN, l'AFN même a essayé, il y avait un projet de code de la famille qui a échoué compte tenu des, résistances, euh, surtout venant des religieux. je pense que c'est cette question-là qu'il va falloir encore remettre sur la table. Parce qu'on n'en parle pas, on a pratiquement même cessé d'en parler, mais la question, on doit encore la remettre sur la table afin de trouver une solution définitive par rapport à ça. Gardez le micro parce que je vous pose une autre question sous la, sous la représentativité en majorité des femmes, euh, surtout des femmes rurales dans les instances euh, dirigeantes euh, du Niger. Donc, vous, êtes donc imprégné de cette nouvelle loi du quota qui est en train d'être revue. Donc, la première, c'était en 2000. Et dites-nous aujourd'hui pourquoi je silence autour de cette question. Là encore, on ne voit pas les femmes. Alors, je dis dirais qu'il n'y a pas un, silence autour de la question. On en parle, on est en train de suivre euh, parce que. Alors vous en parlez, vous suivez. Qu'est-ce que vous faites concrètement Alors ce qu'on fait concrètement, effectivement, c'est à ça que actuellement nous sommes en train de réfléchir. Et c'est à un autre niveau. Là, je parlerai de la CNDH. La semaine passée même, on a eu un atelier sur la question, sur les droits de, de la femme, notamment la participation politique. On en a discuté, on a rassemblé un certain nombre d'ONG ONG et associations qui militent pour les droits de la femme euh, pour en parler. Donc on avait échangé, c'était un espace d'échange effectivement pour poser euh, le problème. Et ce qu'il y a lieu de faire en fait, c'est de ne pas attendre que la loi ne soit pas respectée pour essayer de poser des actes ou d'agir. Donc il y a vraiment un travail de fond, un travail en amont à faire par rapport à ça. Et ce travail-là, il ne peut être fait qu'à travers la mise en place d'un système efficace de veille par rapport effectivement à l'application de, de ce projet, de, de cette loi-là, une fois qu'elle sera adoptée. C'est-à-dire il ne faudrait pas attendre que le pire arrive pour essayer de redresser les choses. Alors, déjà, le falloir procéder à, un plaidoyer très fort avec tous les acteurs et à tous les niveaux, en passant par les partis politiques et même au niveau supérieur des décideurs. Déjà, euh, au niveau du premier, je veux dire, si on peut dire ça ainsi, le premier quota euh, qui, est-ce que selon vous, était, était respecté ou pas et pourquoi on a décidé euh, de, d'augmenter la, la loi est là, elle existe. Est-ce que d'abord le quota, la loi sur le quota, est-ce qu'elle est respectée la loi sur le quota n'est pas respectée. Les seuls moments où on insiste, où on sent... Aujourd'hui, il y a combien de femmes au niveau de l'Assemblée nationale Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 28 femmes. Il devait y avoir combien non, au niveau de l'Assemblée nationale, le quota est respecté. D'accord. Alors, au niveau du gouvernement, c'est là que le problème se pose au niveau du gouvernement. Huit ministres, huit femmes ministres. Huit femmes ministres sur 40 euh, et quelques, parce que sans compter les conseillers. Alors il devait les, y avoir 11. Les ministres avec rang de, de, conseillers. Il en manque encore quelques Il manque encore quelques, quelques femmes, parce qu'avec les remaniements techniques qu'il y a eu, donc le quota n'a pas été du tout respecté. Aujourd'hui, il en manque exactement combien Bon, il faut voir si on fait le décompte, qu'est-ce que ça fait, parce qu'il y a aussi des ministres avec, euh, des conseillers avec rang de ministre et tout ça. Donc, je pense que vraiment à ce niveau, on ne peut pas dire que le, quota est, respecté. Et pour les postes de commandement, là, on n'en parle même pas. C'est seulement au niveau de l'Assemblée et au niveau du gouvernement qu'on sent, en fait, euh, quand on parle de quota, c'est à ce niveau seulement qu'on on sent un peu euh, la question rebondir. Alors que pour les autres poste de commandement, on n'en parle pratiquement même pas et il n'y a pratiquement même pas de femmes. Ah, alors, on prend tous les SG des, des, différents ministères, il y en a combien C'est deux ou trois femmes seulement qui, qui sont SG des ministères. Donc tout ça là, dans tous ces, ces postes-là, on devrait quand même appliquer le quota aussi. Alors, euh, Ganda Saleh, vous, par rapport donc à cette question de, euh, du quota et à cette question aussi de, de sous-représentativité, surtout des femmes rurales, euh, qu'est-ce que vous en pensez <coughs> Merci. vous savez, les questions qui concernent les femmes, j'ai beaucoup discuté de ces questions-là avec beaucoup de femmes. Il y a ce que les femmes oublient au lieu d'arriver de demander le quota là d'abord, il y a la chose la plus importante que les femmes ont ignorée jusqu'à ce jour. Mais il n'y a pas seulement que le quota. non, il n'y a pas seulement que le quota, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Maintenant, les femmes, il faut voir ce qui s'est passé l'année dernière. Les femmes doivent lutter d'abord pour être, pour être à côté de leur mari. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que ça veut dire être à côté de leur mari On affecte les enseignantes de Torah à travers. Par exemple, une femme mariée ici à Niamey, on la prend, on l'amène à Difa. Mais les femmes doivent lutter pour vraiment avoir euh, euh, ce, privilège, pour être vraiment à côté de leur mari, soit à la Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, Balkissa Djibril oui, Est-ce que vous partagez ce point de vue alors, ce point de vue, je le partage. Et, c'est là vraiment qu'on sent l'absence de solidarité entre les femmes. Mais quand il y a des questions. Mais ces femmes ont décidé de travailler, elles ont opté pour un travail. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a opté pour un travail peut du jour au lendemain décider de ne pas aller travailler Mais il faut se sécuriser, madame. Il faut d'abord sécuriser la famille. Parce que là, les femmes ont ont marché. Au lieu pour aller au ministère de tutelle, ils sont allés à l'association islamique du Niger. Donc une femme ne va pas travailler là où son mari n'est pas. Vous, vous partagez cette Non, au moins si le, mari est là, il, travaille. C'est bon, C'est un point de vue que, qui nous vous appartient, qui, qui n'est peut-être pas euh, discutable, mais d'autres personnes peut-être discuteraient ce point de vue. D'accord, mais s'agit-il du quota Il y a deux quotas. Il y a le quota nominatif, il y a le quota électif. Donc là où il y a des problèmes, souvent le quota est électif. Là, on tord le Alors, expliquez à nos auditeurs, c'est quoi le quota euh, nominatif Le quota nominatif, c'est quand on nomme les femmes au poste de responsabilité politique. Comme elle vient de le dire, il y a 28 ministres. Il n'y a pas, de... 28 ministres, 28 députés à l'Assemblée. Non, 28 députés à l'Assemblée. Oui. 8 ministres. Or, il y a deux sous-préfets, je crois, sur les 63 ah, au Niger. Il n'y a pas de femmes au gouverneur, je, ce que je cherche. Les SG, pratiquement dans les départements, on n'en trouve pas. Donc là, c'est au niveau du quota électif. Qu'est-ce qui doit être fait là Qu'est-ce que les femmes doivent faire Voilà, Les femmes, c'est en ce moment-là, on tord le cou aux hommes pour vraiment attribuer le poste aux femmes. Et ça, voilà. Là, c'est là où c'est pas facile, mais alors, nous, pas on, bien, on, Voilà. C'est les, femmes, oui. J'ai un exemple. Ah, dans la région de Maradi, il y a un, un, candidat qui a mené 7000 voix. Il y a une dame qui a mené 400 voix. Mhm. Maintenant, si qui doit passer normalement 7000 et Bon, alors là, ils ont tenu compte du quota. Maintenant, le, candidat qui a mené 7000 voix, lui, on l'a empêché parce qu'on a respecté le quota de la femme pour donner le, siège du député à la femme. Alors, Mais là, c'est pas une bonne chose Non, c'est une bonne chose. C'est là où c'est difficile. Mais pourquoi pour le gouvernement ne vont pas avoir le courage de respecter ce quota nominatif Alors, qui nous, est plus facile que le, quota euh, électif. La question reste toujours posée, euh, du, euh, Balkissa Djibril, mm. qu'est-ce qui doit être fait à ce niveau Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour changer les données Pour changer les données, je pense que si on regarde l'origine même de cette loi sur le quota, c'est que l'objectif, c'est de voir les femmes au niveau des instances décisionnelles. Donc le quota ne saura perdurer. C'est une disposition transitoire parce qu'on a pratiquement forcé la main aux États pour prendre des dispositions positives afin de voir les femmes eh, siéger dans les instances décisionnelles. Alors on ne va pas toujours continuer à courir derrière euh, une loi, de se cacher derrière une loi pour dire qu'il faut voir les femmes, il faut voir les femmes. Ça veut dire que du côté des femmes aussi, il faudrait que ces femmes-là dépassent le quota parce qu'il y a des pays dans lesquels ils sont déjà à la alors, s'il faut attendre tout le temps qu'une loi permette aux femmes comment, comment les femmes peuvent dépasser Comment les femmes peuvent dépasser Je pense que les femmes doivent se battre. La lutte est, les de Alors, se battre comment C'est la grande question puisqu'on parle de mobilisation, de solidarité autour euh, des femmes. Euh, donc, nous allons citer donc euh, quelques exemples. Un exemple concret, tout récemment, nous avons eu le cas de Dr Dillier. Il y a eu d'autres cas, bien sûr, l'ONG Dimol. Je passe aussi par la première femme candidate aux, aux, élections présidentielles. On n'a rien entendu, pas de mobilisation, rien du tout. Et là, le dernier cas, c'est celui du docteur Dillet qui a été tout simplement euh, remercié tout récemment euh, dans cette affaire de supposée corruption dans l'envoi des malades à l'étranger hein, en ce qui concerne la prise en charge du cancer. Balkissa Djibril. Euh, Alors, avant d'arriver à cette secrétaire question général de, adjoint de, solidarité, voilà. comment changer la tendance comment les femmes doivent dépasser. Mais là, pourquoi est-ce que d'abord, d'abord répondez à cette question, pourquoi est-ce que là, les femmes n'ont pas réagi C'est quand même euh, une question euh, qui a fait beaucoup de bruit, euh, donc sur les réseaux sociaux, en tout cas pendant un bout de temps. Mais on n'a eu aucune réaction des, ONG féminines. Alors là, je, ne sais vraiment pas quelles sont les, Mais vous êtes donc, causes oui. profondes. Mais vous C'est que moi j'ai toujours conseillé, c'est que quand une femme a été victime de violation de ses droits, je pense que ça devrait être un problème pour toutes les femmes. Parce que la cause, c'est la même cause qu'on défend et c'est la cause de la femme qu'on défend. Donc je pense que les femmes doivent parler d'une seule voix, quelle que soit la sensibilité et quel que soit le bord politique. Les autres femmes aussi doivent s'unir à cette femme pour essayer de la soutenir et de défendre ses droits. Votre association a pensé à ça Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on va faire Alors, chaque fois qu'il y a des questions comme ça, c'est à travers le grand groupe qu'on réagit. Donc nous sommes dans des réseaux d'associations, nous, sommes, nous avons une coordination des ONG associations féminines. Donc chaque fois qu'il y a un problème de ce genre, en tout cas s'il faudrait réagir, c'est à travers ce grand groupe-là qu'on réagit, à travers des communiqués, à travers des, déclarations effectivement. Est-ce que comme ça n'a pas été fait, est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de solidarité, de mobilisation ou de manque d'entente entre les femmes Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire Bon, je pense qu'il n'est jamais trop tard euh, pour mieux faire. Vous l'admettez <coughs> <laughs> oui. Qu'il y a un manque de solidarité. Bon, le manque de solidarité, ça je le soutiens et je l'ai toujours dit d'ailleurs que c'est à ce niveau même qu'on devrait parler de solidarité parce que quand il, était question de soutenir euh, la, femme, la seule femme d'ailleurs candidate aux élections présidentielles, euh, Madame, Madame Bayard, les femmes ont décrié le fait qu'il n'y a pas eu de solidarité entre les femmes, mais moi je pense que sur ce plan, il ne peut pas y avoir de solidarité parce que l'appartenance politique c'est une question d'idéologie. La déjà que les autres femmes, chacune déjà a adhéré à un parti politique dans lequel elles militent pendant des années et tout. C'est une question d'idéologie. Donc on ne peut pas dire que parce que celle-là est femme, que les autres femmes doivent abandonner aussi leur idéologie pour, pour la suivre. Mais la question de solidarité, c'est que chaque fois qu'il y a une femme, une autre femme qui a des problèmes, il faudrait que les autres femmes se mobilisent, mobilisent autour de la question pour la, soutenir. Euh, Ganda Saleh, donc euh, président de la CONAF Niger, cette dernière question que nous allons débattre avant de nous séparer. Nous sommes à quelques minutes de cette émission. vous constatez aussi ce manque de solidarité, de mobilisation autour des questions qui concernent des femmes. Oui, comme vous avez évoqué le cas du docteur Dillet, moi je ne la connais pas, je l'ai vu à la télé. Les femmes ne peuvent pas être solidaires dans cette euh, affaire parce qu'il y a une main invisible derrière l'affaire Dillet. C'est quoi la main invisible La main invisible, c'est un problème politique. Et toutes ces femmes-là que voient les organisations féminines tournent autour des, politiciens. Ça veut dire qu'elles ne sont pas indépendantes. Vous voulez dire que ces ONG, ces organisations féminines ne sont pas indépendantes Non, les ONG, là, c'est-à-dire la majorité des, organisations féminines, les collectifs des organisations féminines, c'est le politique qui cherche à les récupérer. Là, qu'est-ce que moi je conseille à cette dame de saisir la CNDH, la Commission mhm. nationale des droits humains Parce que si la justice, tout le monde le sait, la justice est instrumentalisée, elle est politisée. En tout cas, la CNDH est là, elle n'a qu'à écrire, il y aura des, des investigations. Ils n'ont pas peur de dire la vérité. Vraiment, c'est une institution que je respecte. Une proposition concrète pour résoudre le problème de la solidarité autour de cette question. Une seule proposition concrète. Si les femmes, dans les textes qui régissent les organisations, ont dit apolitique, mais si ces organisations s'écartent de cette phrase-là, les organisations sont apolitiques. Balkissa là une proposition concrète. Euh, je pense que vraiment, les femmes quelles que soient les sensibilités, quelle que soit l'appartenance politique, comme j'ai eu à le dire, si une femme a des problèmes, ça doit toutes les autres Est-ce que ça veut dire travailler en synergie Travailler en synergie. Alors nous allons tout juste euh, vous permettre de vous détendre parce que Espace Femmes, c'est aussi euh, cela, vous détendre en vous informant à travers la rubrique affaires. Et là, nous sommes dans cette période sensible, dans cette période fraîche. Les femmes de ce forum, de cet espace, se sont intéressées aux enfants. Et donc, euh, comment les protéger des infections respiratoires euh, C'est de cela qu'il s'agit dans cette rubrique affairage. Affairage, affairage, affairage. C'est pas Adnan que je vois courir dans tous les sens là. En plus, il ne porte ni vêtements ni chaussures. L'allée Barira, sois la bienvenue d'abord. Hmm. Tu vois non comment Adnan est têtu comme une mule. Il n'aime pas du tout s'habiller même avec ce froid-là. Mais bon, tu sais, mon enfant est robuste. Hein. Et eh, à la voisine, comment tu peux dire cela Tu ne sais pas que cette période de froid est propice aux infections respiratoires <laughs> <laughs> depuis qu'il y a infection de respiration aussi, hmm. on aura tout entendu avec toi. arrête tes blagues. Ce n'est pas toi qui es venu chercher l'assistance la dernière fois quand ta fille Mina toussait Tu te souviens Elle avait la fièvre et les narines bouchées. Comment oublier ce jour toi aussi J'ai cru que j'allais perdre ma fille. Mais où est le rapport Les docteurs ne t'avaient pas dit que Mina souffrait de pneumonie, une maladie respiratoire Ah oui, je viens de me rappeler à présent. Tu sais, ce jour-là, le docteur ne m'a même pas donné les raisons de cette maladie. Écoute, madame, peu importe qu'il te donne les raisons ou non, tu ne dois pas laisser tes enfants tomber malades. Ils sont vulnérables aux infections respiratoires aiguës comme la pneumonie et les autres allergies respiratoires. Pour te dire que toutes ces maladies sont causées par le froid et avec cette poussière. Ah bon Hey, Adnan, viens vite, je vais aller te laver tout de suite. Comme ça, je vais t'habiller et il ne faut pas que tu tombes malade. Hé, hé, hé, attends, pas tout de suite. Il faut les laver quand le temps est ensoleillé. Il faudra ensuite bien l'habiller avec des vêtements chauds, de préférence en coton, jarre, pullover, des bonnets pour protéger la tête et le pied avec les chaussettes. N'oublie pas d'utiliser des couvertures chaudes pour les couvrir la nuit quand ils dorment. Tout cela te permettra de protéger tes enfants contre les maladies respiratoires liées à matin. En plus, tu n'as pas à les laver tous les jours, une fois les deux jours suffit. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Cette fois-ci, je ne laisserai pas du tout Adnan attraper une de ces maladies. Compte sur moi et merci beaucoup, voisin. Ah, en tout cas, fais gaffe, ma chérie. Sinon, Messieurs, dames, euh, nous sommes à la fin de cette euh, émission, nous retenons que malgré la multitude d'organisations féminines présentes au Niger, les droits de la femme ne sont pas assez défendus. Il y a donc un manque d'efficacité. Il faudrait que ces ONG et associations créent un cadre de synergie d'action pour la défense et la protection des droits de la femme nigérienne. Nous étions en compagnie de Balkissa la secrétaire générale adjoint de l'association des femmes juristes euh, du Niger et de Ganda Saleh, président de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants Konafa, Niger. Voilà, c'est tout, c'est la fin. Euh, merci beaucoup, fidèles auditeurs, d'être restés en notre compagnie. Merci à vous, chers invités. prochain rendez-vous des programmes du studio Kalango à partir de demain à 17h sur nos 38 radio partenaires. Envoyez vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 86 52. Au micro pour vous servir, Diallo Maria Makenda. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme.